jët mbolo mo xam da fay gëna bari ba nga xam ñun daf ñuy jaaxal bokku na ci li tax ñu jël stade bi sax ñak mëna ar mbolo mi ci fiñ ko daan défé mo tax donc loolu aussi wax dëgg yalla ñu ngi ciy sante yalla bu baax sëriñ bi aussi mi ngi ciy sante mbooleem julit yu koy mu ngi ciy wo mbooleem julit yi aussi euh, rawatina ay gambien rawatina ay mauritanien ak ay malien donc gamu bi nekatul affaireu Sénégal mais c'est aujourd'hui un gamou international. Plus de 172 écoles actuellement qui sont fonctionnelles ci biir écoles amna nag ay écoles yo xamné euh franco-arabe la mais li nga xamné dara yo xamné dañuy jang rek ci karim ak ci sunna ñooñu ñu ngi toll ci 60 tay. Sénégal ak Gambie. Euh, docteur bi nga xam ne yor santé Sibir, biir Pikine ak service d'hygiène ak commissariat de police bu Pikine ak sapeur pompier Senelec Sénéo ak yeneen service sax ñoom ñëpp teew nañu pour euh, waxtaanee mbir mi li nga xam ne moom lañ ci mën a jàpp rek mooy ne dinañu fexe jël en dinañu fexe euh, def ci service d'hygiène par exemple désinfection li ñuy tuddee désinfection ak désinsectisation euh, barab yi nga xamante ne ñoom ñooy dalal pèlerins yi ak ci biir stade bi euh, dinañu fexé aussi docteur euh, def ay euh, kuréel euh yo ne ñom ñoy saytu malade yi nga xamné ñoy fay am ci jouru événement bi. sapeur pompier ak commissariat bu police Pikine aussi nam ay éléments yo xamné ñom ñom ñoy ñew couvrir événement bi du début à la fin Souhait ce service yoy aussi Amna Sénélec Senelec ak Sen'Eau ku ci que ci ñom aimes ah, jël engagement pour que du am problème éclairage tout autour du stade en rapport tamit ak la mairie. M sera axé en tout cas sur euh, la position de l'islam ou la réponse comme remède de l'islam face donc euh, à cette euh, précarité de cette société contemporaine. Serigne Adignas œuvre d'abord pour la pour dispenser en tout cas des connaissances islamiques, mais dans le but donc d'assurer une éducation, dans le but également de produire en tout cas euh, un musulman imbu de valeurs morales, donc ici euh, bien sûr euh, rempli de connaissances islamiques et notamment sur ce on peut en citer aujourd'hui, il a mis en place plusieurs établissements donc pour la formation des jeunes donc nous en, comptons, plus de 150 établissements, dont 50 ou 60 d'ara, donc pour l'apprentissage du Coran et de la Sunna. Comme euh, il a été retenu, euh, le service d'hygiène va faire la désinfection et la désinsectisation des différents, lieux de réception. Euh, le médecin-chef du district sanitaire de Pékin va mettre en place des postes médicaux avancés. La police et les sapeurs-pompiers vont couvrir l'événement. Donc il y aura des éléments de part et d'autre qui vont être euh, euh, mis en place euh, à l'intérieur comme tout autour de l'arène nationale. la Sénélec, la CNO, donc tous ces services-là ont pris des engagements fermes pour qu'il n'y ait pas de difficultés d'éclairage ou de ravitaillement en eau le jour de l'événement. L'IF de Pékin nous a quand même proposé des écoles euh, qui vont servir de site de réception pour les pèlerins en attendant d'aller euh, le soir à l'arène nationale. Donc, euh, dans ces lieux de réception, évidemment, il y a euh, le service d'hygiène qui va faire la désinfection, mais il y aura aussi des points d'eau qui vont être mis en place de sorte qu'il y ait un ravitaillement correct.